Euh, gloire à Dieu. Bonjour encore pour cette journée que l'Éternel nous a donnée encore pour venir à notre euh, monde quotidienne. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce matin. Te remercions pour cette journée que tu nous as donnée encore. Seigneur, tu nous as donné cette journée pour ton œuvre, pour te glorifier. Nous prions que c'est cette, cette parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui, que nous serons non plus les écouteurs seulement, mais nous serons des praticalateurs, des gens qui vont marcher selon cette parole au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, tu nous donnes la, le, désir, la grâce de pouvoir et la force de pouvoir marcher selon ta volonté au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce matin, nous considérons encore notre... Aujourd'hui, nous sommes le 21 août de samedi 2021. Alors, nous considérons notre thème d'aujourd'hui qui est l'air spirituel pour les saints. L'air spirituel pour les saints. L'air spirituel pour les saints. Nous regardons notre test dans le livre de Lamentation, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 55 jusqu'à 58. Lisons la parole de Dieu. J'ai invoqué ton nom, l'Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Amen. Le, notre même verset clé ici est prise de Lamentation dans le verset 56. À partir du verset 56, il dit Tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Ici, nous voyons ici que selon Benihin, Benihin, il y avait une histoire qui circulait pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait un soldat britannique qui fit pris il est en train de croire il en retournant vers son camp, d'une brousse tout près. Alors quand il fut pris, il crawlait. Alors qu'est-ce qui s'est passé Quand il dit crawlait, Il est en train de ramper. Il rampait en allant, retournant à son camp. Et qu'est-ce qui s'est passé son commandant l'a pris et il a dit alors, toi, je crois que tu fais partie ou tu as fait une relation avec, ou bien tu as une relation avec nos ennemis pour nous, pour nous, pour nous trahir. Mais ce jeune homme dit, s'est mis, debout, mis devant le, son commandant et dit, non, je t'en prie beaucoup, je ne suis pas un, un trahisseur, je ne vous trahis pas, mais je suis parti près d'une bouche, tout près ici pour prier mon Dieu. Mais le commandant n'a pas eh, obéi, le commandant n'a pas cru à ce que le jeune homme disait. Mais il a dit, si c'est vrai, regardez ce qu'il dit, il dit, si c'est vrai, il donnait un défi, si c'est vrai que tu es parti pour prier à ton Dieu, alors mets-toi en et prie fervement devant moi pour que je vise, pour que je voie que vraiment c'est parti pour prier ton Dieu. Et la, l'histoire nous dit que le jeune homme s'est mis en genoux, il a prié fervement. Il a prié sincèrement. Il a prié de tout son cœur. Et quand il a fini de prier, il a, avant qu'il ne dise Amen, il a ouvert ses yeux, il ne voyait rien. Il a, il a vu un grand silence autour de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé son commandant lui a dit, c'est vrai, je crois ce que tu disais. C'est vrai, va, retourne dans le camp. Oui, notre texte que nous vient de lire ici aujourd'hui, dans Lamentation de Jérémie, c'était un témoignage du prophète Jérémie qui parlait de comment Dieu a gracieusement écouter sa prière ou bien exaucer sa prière pour le délivrer de la dungeon dans laquelle il était, dans la souffrance dans laquelle il se passait. Il dit Dieu a écouté sa prière fervement. Il a écouté sa prière. Dieu a exaucé sa prière. Dans, en prison de diverses situations, et n'importe quelle chose dans le découragement, il a donné le, découragement, il ne faut pas perdre la confiance à Dieu. Et la confiance à Dieu et seulement croire à lui. Et il va t'aider dans tout ce que tu vas faire. C'est la même chose en, en, en prêchant l'évangile ou bien l'évangélisation, c'est un exercice spirituel les croyants. Et la parole de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu, une nourriture spirituelle. La prière aussi, c'est oh, l'oxygène ou bien c'est l'air spirituel des saints. L'air spirituel des saints. C'est l'air qui génère l'âme, qui retient l'âme et qui amène l'âme proche de Dieu. Et c'est ce que l'âme veut, c'est la, la prière. C'est ça qui est l'oxygène de Dieu. et ça qui est là et qui nourrit le chrétien ou bien l'enfant de Dieu. Et qui amène cette personne aussi tout près de la, la grâce de Dieu. C'est aussi divin. C'est aussi une indication divine. Ou bien une indication divine qui bien que le croyant, bien qu'il montre que le croyant est toujours aussi en vie, est toujours en relation avec Dieu. Dieu n'oublie jamais ses, son peuple, ses enfants. À travers la prière, les croyants peuvent faire des interventions. Ils peuvent prier pour les autres. Avoir aussi la force envers le Seigneur. Et aussi recevoir la guérison de toutes sortes de maladies, avoir accès à la délivrance, délivrance des oppressions, avoir la promotion, le succès, la faveur. Les les pécheurs peuvent aussi prier. Ils peuvent prier pour euh, euh, entrer dans le royaume des cieux. Et aussi, les autogardes aussi peuvent le faire le même pour aller dans le royaume de Seulement que en recevant le pardon et la restauration de tous leurs péchés, quand ils sont restaurés, ils vont prier pour Dieu que Dieu les restaure. ils sont restaurés, ils sont réachetés, ils sont réachetés encore dans le royaume de Dieu. Ils ont laissé le péché, ils viennent à Dieu. Alors Dieu va leur répondre et le royaume de sera le leur. Alors, notre idée de, la pensée du juste, c'est que la pensée du jour d'aujourd'hui, c'est la prière est l'oxygène spirituel pour les enfants de Dieu. La prière est l'oxygène spirituel pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Nous prions que Seigneur, tu bénis les écouteurs, qu'ils marchent selon ta volonté, tous ceux qui sont en gardés les pécheurs, n'importe qui. Seigneur, nous allons revenir vers toi et que ceux qui aussi, qui sont juste dans toi, ils n'ont pas à te garder, ils n'ont pas rentré dans le péché. Nous prions que Seigneur, que tu leur donnes l'esprit de prière, qui vont prier à chaque moment, comme Jérémie aussi était dans les souffrances ici, il a prié. Seigneur, que nous allons prier, tu as promis que nous allons prier dans nos prières, en, intercession, où nous prions pour chercher la délivrance, nous prions pour chercher la promotion, nous prions pour chercher le, le succès, nous prions pour chercher la guérison, nous prions pour chercher n'importe quoi, Seigneur, tu as promis de nous exaucer. Alors Seigneur, exauce-nous au nom de Jésus. Donne l'esprit de prier à tout moment, à tout temps, à toute circonstance au nom de Jésus. Et quand nous allons prier, Seigneur, tu es au ciel, tu nous écoutes, alors tu vas nous écouter, tu vas nous exaucer nos prières au nom de Jésus. Et ceux qui ont aussi, qui ont regardé, ils sont des pécheurs. Papa, quand ils vont prier aussi, revenant vers toi, que Seigneur, ils sont désolés. Seigneur, tu vas, leur, le, pardonner et tu vas le racheter encore. Ils seront avec toi et leur de le, le leur au nom de Jésus. Merci parce que tu aussi. Donne une bonne journée aussi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.